Mesdames et messieurs, bonsoir, euh, amis téléspectateurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, ils sont là, euh, vos jumeaux, les PNG, l'un se nomme P, l'autre se nomme le tout, ça donne tout simplement PNG The Twins DJ, les jumeaux de la TFM, les jumeaux de King FM euh, Dakar 99.4, les jumeaux de Presse et Fraîche. Ils sont là pour vous accompagner jusqu'à 17h30 aujourd'hui dans Hello Ado. Sans oublier bien sûr les jumeaux de Mamie Ange, toi aussi. Mamie Ange, c'est la maman des jumeaux. Connecté depuis Mbour, en train de nous suivre. Gros bisous à toi. Coucou, coucou, coucou, mamie Ange. Mention spéciale à elle. Elle est toujours scotchée, toujours branchée. Donc, euh, chapeau à toi, chapeau aussi à Tony Blair. Donc, il faut que côté papa, il Hey, eh, Tony Blair, <laughs> mention spéciale à toi. Yeah. Super. ça fait plaisir, Mostopi. Bien T'as la forme Wesh, nice. Le moral est bon. Tu as montré Galsen, là, aujourd'hui. Mais in Galsen, toi je tu sais. Le pourquoi Qu'est-ce qui se passe La Coupe d'Afrique au OK. Cannes 2019 en Égypte, hein. toi-même tu sais, on est obligé de faire avec quoi. Ok, et un mode rouge aussi Un mode rouge, hein, vert, jaune, rouge, c'est ma couleur préférée, le rouge quoi. Ok, alors amis téléspectateurs, aujourd'hui, euh, vu que le Sénégal, ils ont gagné le premier match bien sûr, euh, félicitations à nos lions. Alors, euh, pour souhaiter bien sûr à nos lions à nouveau une bonne chance pour demain, comme vous le savez, L'équipe nationale de football du Sénégal va jouer euh, demain, euh, jeudi, bien sûr, le deuxième match face à L'Algérie. L'Algérie. Alors sur ce, on a envie que nos téléspectateurs euh, puissent mieux supporter les Lions, raison pour laquelle aujourd'hui, on va offrir des lots de maillots à nos téléspectateurs, des Lacoste aussi en mode équipe nationale de football du Sénégal. Il y aura aussi, bien sûr, des Presseya pour tout le monde Il fait chaud au Sénégal, il fait chaud aussi en Égypte. En Égypte, il fait chaud. Et il est intéressant de boire. ah bon ah ouais. c'est sûr ça. c'est clair Sadio Mané Tu es la Ligue des champions. yeah mais orange préféré quoi. Je vous un message message. mais ça, non mais c'est... non ah ok yeah bi ok donc Sadio ñu comme que à Fresh ngay fraîche vous kuy à Fresh parce que bien sûr émission bi euh, Narulium. alors sur ce aussi on aura des invités. Euh, des invités pas tout à fait comme les autres invités hein. Aujourd'hui, c'est des élèves qu'on va recevoir ici au niveau de Hello Ado. Le pourquoi? PNG, oui, ils étaient en tournée. Ils étaient en tournée en train de regarder, bien sûr, les meilleures écoles. Les meilleures écoles, bien sûr, de Dakar, du Sénégal. Comme vous le savez, euh, bien sûr, Presseya Fresh, en compagnie de Elzo euh, Jamnong, euh, ils étaient en concert. Et chaque concert, bien sûr, c'est PNG qui animait le show. Alors, ils ont décidé, Presseya Fresh, de Récompenser, bien sûr. Voilà, de récompenser euh, ses élèves. Le meilleur établissement, bien le meilleur lycée, bien sûr, qui a été récompensé aujourd'hui sera là dans quelques minutes. Alors, l'équipe de Oumou, l'équipe de Kader, l'équipe de Ladiva Amina, bien sûr, seront là pour nous dire le nom de l'établissement, bien sûr, gagnant pour cela. Alors, il y aura... Le jackpot. Le, jackpot, c'est quoi Le jackpot, c'est un million. 1 million de francs CFA. ah ouais. sérieux 1 million de francs CFA. donc es gars tu pare ko. 1 million lañ nar indi dina am 1 million à fraîche indi jox Sacré Cœur sama ou de la Fosse. Ou de la Fosse, ou à okay. Gay. Yeah. Ils étaient nombreux, hein, les yeah. établissements. Les lycées, les collèges et autres. Voilà. Donc, mention ça, spéciale. Ça, gagne quoi, oui, seulement 1 million. C'est une école dans la Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons parce que man, si, si c'est une wartan, dans le Japon, les gars, ils sont sombres, ils sont ils sont wartan. Non, on va récompenser les élèves 1 million, mais. Mais pour les 1 million, c'est enveloppe, ils ont dit qu'on a des défauts. Mais qui sait ouais. Tout à l'heure. Elles seront là. Comme ça, Ok. Alors, sur ce, Mr. G, euh, avant d'inviter nos amis pressés à fraîche, avant d'inviter, bien sûr, euh, les élèves, euh, qui vont recevoir euh, le chèque. Euh, qu'est-ce que tu nous proposes Voilà, donc on va regarder pas mal de clips, hein. des nouveautés, des exclusivités, des remixes, de la bonne zik bien sûr. Tout à l'heure, vous s'est permis d'appeler. voilà les numéros magiques de composer. D'entrer en direct, de faire plaisir à vos amis, vos proches, de souhaiter une bonne chance à notre équipe nationale qui vont jouer bien sûr demain. Pourquoi pas aussi gagner des lots, des maillots, mhm. des bracelets en mode Made in Gold. Alors les numéros, merci Mia, notre réalisatrice, merci Maguette. Merci à toute l'équipe technique. Allez, le caméraman Moussa, bien sûr. Tous les techniciens, tous ces, euh, bien sûr, euh, personnes qui nous accompagnent. Parce que vous voyez actuellement PNG, mais derrière, ils sont nombreux à nous accompagner jusqu'à 17h30. La Diva Mia, mention spéciale à, toi. Et à tout King FM aussi en train de nous suivre. Hein. On remercie hein. Ousdem, qui a habillé tous les, PNG en mode Lacoste, équipe euh, nationale. Mais une c'est... c'est Sénégal. Ok, donc aujourd'hui, comme Ouz l'a fait pour PNG, il a décidé de le faire aussi pour vous. Il y aura des maillots, il y aura des Lacoste et il y aura des jus de fruits, bien sûr, offerts par à euh, Fresh. Sans tarder, M. G, le voilà donc, vu euh, que Elzo Jam, donc bien sûr, c'est l'ambassadeur de à Fresh, oui. il a sorti un new clip exclusivité le best tàkk ñu may ko sénégalais nous ñu enjoy ko et puis juste après on va accueillir nos invités. let's go Elzo Jamdong dans Hello. merci beaucoup joli extrait bien sûr de Elzo Jamdong toujours égal à lui-même très talentueux hein, le, ce monsieur là il yeah faut oser le dire respect hein. nice clip Elzo gentle boy gars content de job il est nice. Après Presse à Fraîche content nañu si je vois pourquoi Presse à Fraîche on choisit il est bien le boy il ira loin il est apte. il est déjà loin. Ouais. Il est déjà loin. Ah bon C'est pas la peine. Ah ok. Faut avec France. Hein. Ouais, Il est loin de. <laughs> ok. Alors sur ce, on va accueillir euh, la diva, la princesse, bien sûr, euh, la plus belle de Presse et Afrache. Ah bon Oui. Ah bon, tu vas la voir. Ah. Elle est là. Bien sûr, on va l'accueillir euh, rapidement, amis téléspectateurs. Vous allez regarder, vous allez écouter, bien sûr, la voix de la diva sous le nom de Oumou. Oumou il demandé. Oumou de Presse et Afrache, venez. C'est un plaisir. Bonsoir. vous allez bien Oumou. Ça va ça, se passe C'est mon jumeau, je te le présente. Moi, c'est Pi. Il s'appelle Pi. Moi, c'est Guy. Moi, c'est Ça fait Pi, J. Bah, vous êtes déjà connu, vous n'avez pas besoin de vous présenter, je vous connais. c'est moi qui vais me présenter. Donc, je suis Oumu, euh, je suis responsable marketing et communication de Presea. Donc, euh, aujourd'hui, je suis venue présenter ce nouveau produit, cette nouvelle boisson qui est Presea fraîche au public. Donc, euh, c'est une boisson qu'on a sortie depuis décembre dernier. Euh, oui, voilà. ça Donc, il est ça fait pas longtemps et mm-hmm. pourtant, ça fait beaucoup de bruit. Moi, je marié le mois de décembre, ça. Sérieux Ah, bah, très bien, tu vois. C'est pour ça que tu es fraîche, en fait. <laughs> c'est pour ça. C'est clair, c'est clair. Donc, euh, c'est une boisson qui est destinée aux jeunes. Et c'est pour ça que nous avons euh, accompagné les jeunes sur ce qu'ils aiment le plus. surtout pendant, en avril dernier, on était dans les Fosco. On qu'on a sponsorisé. Donc, euh, on a démarré d'ailleurs la tournée qu'on a appelée la tournée Fresh Ton School ici, dans l'émission de PNJ. Donc, euh, aujourd'hui, on est revenu euh, pour la clôturer ici, cette tournée. Euh, en donnant, euh, en annonçant euh, le gagnant de ce fameux challenge qu'on a lancé en avril et mai dernier. Mais le challenge, c'était quoi exactement Parce que gars, nous avons des lobbying et tout. Mais c'était quoi le pari et tout Alors, c'était un challenge qu'on a appelé le challenge Fresh Ton School. Fresh Ton School. Voilà. Oui. Donc, pressé à Fresh à accompagner les FOSCO les gouvernements scolaires euh, des grandes écoles euh, de Dakar, de cinq grandes écoles qui étaient Sacré-Cœur, Lamine De La Fosse, LPA et euh, Abdoulaye Sadji de Refisque. Voilà. Donc, ils ont organisé un concert. Vraiment, je les félicite parce que c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent. Vraiment, ils ont fait des spectacles exceptionnels. Ils l'ont fait seuls. Et euh, nous, nous avons ramené notre égérie qui est Elzo Diamdong, qui a fait un concert exceptionnel dans chacune de ses écoles. L'artiste de Pressea Voilà, l'artiste de pressé fraîche. Mhm. Donc, euh, ces concerts ont été filmés et ont été postés sur la page de Pressea sur Facebook et Pressea officiel sur Instagram. Oui. Et il y a eu des likes. On a invité les élèves à liker, à, liker, à liker. Leurs écoles Voilà. Oui. Donc, euh, la vidéo qui a le plus de likes mhm. gagne un projet financé par Pressé à Fraîche à hauteur de 1 million de francs CFA. Wow. Voilà. Félicitations, ça. Ouais, oui, Donc Là, là, vous œuvrez aussi pour, euh, pour l'éducation en, dehors de l'aspect culturel aussi. Exactement, euh, exactement, exactement. Nous avons, en fait, ce sont des élèves qui sont venus nous voir. Donc, en dehors euh, de l'aide qu'ils demandaient pour organiser leur FOSCO, ils avaient vraiment la volonté de changer quelque chose dans leur école. Certains nous ont dit, bon, nos toilettes ne sont pas dans de très bons états, on veut les réfectionner. D'autres euh, veulent euh, des espaces verts dans leur cours de récréation parce qu'il fait chaud, il n'y a pas d'arbres, etc. Et on il y en a d'autres qui ont voulu aménager une salle de travail. Donc, en voyant tout ça, ne pouvons pas aider tout le monde. On s'est dit, bon, allez, on va lancer ce challenge et on laisse les élèves, euh, aux élèves de voter quel est le projet, quelle est l'école vraiment qui leur a plu. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça a été un vote sur Facebook et Instagram. Il y a eu beaucoup d'engouement, vraiment. Les élèves se sont bien battus. Et, mais le meilleur a gagné. Le meilleur a gagné. Alors, euh, ils ont presté, les élèves, lors euh, de la prestation de, de, de Elzo Effectivement, effectivement. Donc, il y, a eu, euh, eu beaucoup de choses. Donc, c'était un programme très chargé dans la journée. D'ailleurs, c'est vous deux qui, l'avez bien animé. Euh, pendant le concert, euh, vraiment, les élèves, c'était un vrai show. Ils, étaient, ils étaient vraiment fraîches, comme on le dit. Euh, donc il y avait eu des jeux, il y a eu des challenges, etc. Donc euh, vraiment, c'était de très bons, très beaux événements. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo que vous pourrez montrer euh, pendant l'émission pour voir. Et si vous voulez voir toutes les vidéos, allez sur la page Presséa sur Facebook et Instagram. Alors, on a combien de parfums pour Presséa Fresh Presséa fraîche c'est trois parfums. Trois. Donc il y a l'orange, le mancoco coco mhm. et le tropical. Orange, mancoco, coco, art tropical man manko copie yoreni. yore franchement c'est pour moi c'est le top du top. Okay. Après, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment bien l'acidité de l'orange, tu vois, le fait que ce soit bien frais, tu le bois bien. ban Man orange la yo. Orange. Mais ban moi la dakha. C'est que man xamou duma nelaw goudi. Hmm. Té orange soko nané. Ah bon? De l'été. De l'été. C'est vrai. <laughs> ça c'est vrai ça c'est vrai. donc man tropical bi c'est boss ah. parce que tropical il faut mélanger les fruits euh, tu vois raison pour laquelle je choisir c'est bien très bien. ok donc vous avez vu amis téléspectateurs les trois parfums bien sûr euh, pressés à fraîche. ça coûte combien petit modèle le petit modèle est à 250 francs. 250 mais il y a une bouteille de 1 litre à partager. qui est à 600 francs en famille. La bouteille de 1 litre à 600 francs. Mhm. Vous le retrouvez partout dans toutes les boutiques dans les supermarchés vraiment. Non, beaucoup ak Eva mën beaucoup bokk bu 600 bi. non je ne le jëlal pas 33 Je le pàcc je madame mon faut que fraîche vous mu fraîche ok donc euh, J tu as compris. Euh, pour les gens qui nous regardent actuellement, il y a une différence entre à fraîche et les pressia qu'on a l'habitude de boire Oui, oui, oui, oui, oui. c'est pas du tout la même chose. Vraiment, c'est euh, deux recettes complètement différentes. Donc, on a notre pressia en brique qui est un hectare vraiment qui est superbe, que tous les Sénégalais adorent. Nous, on a sorti cette nouvelle boisson qui est l'idéal pour l'été, qui est légère. C'est une nouvelle recette qui est moins chère que le pressé en briques. C'est facile, en fait. C'est pour ça qu'on on sait que les jeunes boivent du jus tout le temps, après le sport, à l'école. On ne voulait pas leur donner n'importe quel jus. Donc, on a dit, on va sortir une boisson au frais avec du vrai jus dedans à un prix très accessible. Super. Alors, euh, maintenant, l'école euh, gagnante euh, aura droit à un chèque de 1 million de francs qu'on va remettre tout de suite. on les a, on les a, on les a amenés. C'est un, chèque géant qu'on va le remettre aujourd'hui. Mais dans le, on va suivre leur projet, on va les accompagner pour le financer euh, vraiment jusqu'à ce que ce soit bien abouti. Mais il y a beaucoup d'autres grandes écoles qui, en ce moment, sont en train de nous regarder. Ce n'est pas seulement Dakar, il y a les régions, il y a Thiès, il y a Saint-Louis, il y a Kaulak, il y a Zéganchor. Alors, pour l'année prochaine, les, ces grandes écoles qui veulent voir Presseya dans leur mhm. établissement, euh, est-ce que cela est possible Effectivement, cette année c'était la première édition, donc on, testait un peu le marché pour voir comment ça se passe. Mhm. Mais vraiment, vu la réussite des choses, comment on a vu comment les jeunes étaient engagés, vraiment c'est eux qui ont tout fait. C'est des jeunes de 16, 17, 18 ans. Ils ont organisé des concerts exceptionnels, vraiment. Mhm. Euh, vu l'engouement qu'on a eu cette année, bien sûr, on va, on va aller dans les régions, élargir cela, mhm. faire un challenge beaucoup plus grand et Inch'Allah, peut-être donner une somme même plus grande que ça. Et euh, voilà. Il y aura des programmes de vacances euh, durant l'été aussi Durant l'été, durant l'été. Pressé à fraîche. 15 Pressé à fraîche, Mingi t'inquiète pas, tout le monde sera fraîche, tout le Sénégal sera fraîche. 15 août. PNG ñu ngi on sera en compagnie de à Fraîche. 16 août on sera à Mbodien. 17 août on sera bien sûr à Nyaning, toujours la Petite Côte et 18 août pour clôturer la Petite Côte on sera à Sali. donc quatre dates avec euh, pressea c'est calé hein gars paré nous nous nous nous, nous ñu ñu mais pourquoi avoir choisi la TFM PNG Hello Ado parce que tout le monde vous connaît, on ne vous présente plus. C'est PNG, c'est l'animateur que tous les jeunes veulent. C'est n'est même pas nous qui l'avons demandé, c'est les jeunes qui nous ont demandé. PNG, PNJ. Mhm. Euh, donc euh, vraiment, c'est un honneur pour nous d'ailleurs aujourd'hui à fraîche de sponsoriser cette émission qui est une émission destinée à notre cible, aux jeunes. Et on voit le travail que vous faites on voit la qualité de votre travail et nous, euh, c'est vraiment ce que nous recherchons. C'est quand on cherche une égérie, on a pris Elzo Diamdong parce que c'est une personne euh, vraiment qui travaille bien. C'est clair. C'est euh, une personne qui a une belle image, une image qui colle à notre marque. Mhm. Donc à chaque fois que nous travaillons également avec d'autres personnes, c'est ce que nous recherchons et c'est ce qu'on a, ce a vu chez vous. Vraiment, c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être là avec vous et d'avoir fait cette tournée Fresh Ton School avec les jumeaux PNJ. Alors Mia, elle est précédente savoir l'école gagnante. Beaucoup de téléspectateurs aussi en train de nous regarder sont pressés de eh savoir l'école euh, gagnante. <laughs> Alors, euh, sur ce, vous allez nous donner euh, le nom de l'école gagnante. Et puis, juste après, on va regarder, bien sûr, comment ces élèves ont fait pour gagner un espace de quelques secondes. Donc, comme je l'ai dit, c'était vraiment très, très serré. Vraiment, ils sont tous méritants, tous, tous, tous. Je fais une mention spéciale vraiment à toutes les écoles. Je peux même, je pouvais même pas les départager moi-même, mais les votes les ont départagés. Et l'école qui a gagné, c'est le lycée Lamine Gay. Lamine Gay. Lamine Gay. Donc, bravo au lycée. Euh, Lamine Donc le lycée Lamine Gay, euh, on vous attend. Alors est-ce que le pote du lycée Lamingay est prêt Maguette, si c'est bon Mia, on y va, on va regarder cela et puis juste après accueillir les élèves du lycée Lamingay. Mia, let's go so fresh, So mo a du fresh fresh Anak shawarma, anak pinabay fresh, rekken je panango na je flush. Zo aan mijn geld, tegen al pano fresh. Zo mijn lekker is mijn sport, doe me door fresh. Mijn ex stuurde die job, maak je door fresh. Meer in Senegal, zero complex. Je ex direct tot zero compet. Jullie galen de fresh, jullie galen de fresh. Doe de shoppen like fresh, doe de shoppen like fresh. Die molle is nog pes, je molle mee je pes. Sommige noemen kijk test, kijk test. Jullie galen de fresh, jullie galen de fresh. Doe de shoppen like fresh, doe de shoppen like fresh. Die molle is nog pes, molle mee je pes. Sommige noemen kijk So fresh, fresh mooi deal, sommige et à fraîche en compagnie du lycée. Du lycée Live and direct, amis téléspectateurs, ils sont là, euh, les élèves bien sûr, les représentants euh, de l'immense lycée bien sûr, euh, le lycée Lamine Gay. Donc mention spéciale à tous les élèves bien sûr, notamment aussi ceux qui sont en classe de terminale. C'est pour bientôt bien sûr l'examen. Une bonne chance à vous. Alors, l'enveloppe, le chèque est là. Donc on va passer le micro au représentants et à la représentante du lycée Lamine Gay. Euh, bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle, vous allez bien Je vais bien et vous C'est comment le nom euh, C'est Aïssatou Blondin Job. Aïssatou Blondin. Blondin. Job. Job. Aïssatou Blondin Job. Euh, alors, élève du lycée Lamine Gay. Exactement. Et tu fais quelle classe là-bas Je suis en terminale. S, L ou G S. S. Les scientifiques. Ok, et tu occupes quel poste si gouvernement euh, Je suis la présidente du gouvernement scolaire de cette année. Elle présidente <laughs> Kon Ah, bien sûr. C'est le président. Ah, loolu du du ah. mu Ah bon Ah Ok, alors le monsieur va se présenter aussi. Monsieur, c'est comment le nom vous Je m'appelle Moussa Niamele. Moussa Niamele. Niami Niamélé. Ah, Niamélé, du Niami Non. Ok, vous êtes de quelle nationalité Sénégalais. Sénégalais. Ok, je Doro Deg Santuboba. Ah, Niamélé. Normal, c'est vrai. <laughs> ok, et vous, euh, euh, vous faites quelle classe là-bas Je suis en seconde. Seconde elle. Ok, et quel est le poste que vous occupez Je suis chargé de l'organisation. L'organisation. Quand y a organisé affaire, vous avez nice, vous avez On peut dire. Hein ok balaa ñuy joxaat micro bi la présidente euh, comment tu trouves déjà l'initiative de Presser à Fraîche parce que ñun ay DJ les ay animateur lañ xam nañ yéen élèves yi conditions yi ngeen di am pour organiser concert muy podium bi muy artistes yi pour ñu ñëw et tout muy sécurité bi xam nañ problème yi ngeen di dund tey Presser à Fraîche accompagner leen ban gis-gis nga si am ah dañ ci content, rek jàpp nañ ci comme que c'est notre c'est la première fois nous ñu def un concert boo xamante ne c'est à ce point oui. Euh, on peut dire que le gouvernement scolaire au bi euh, c'est c'est c'est top Nous am lu par rapport à le gouvernement scolaire les radios les télé tout vraiment on remercie quand même euh, Presse Fraîche de votre aide et voilà vous a oui mademoiselle prenez le micro un million de francs CFA pour pour la présidente pour le gouvernement pour les élèves

Donc, euh, nous étions très, très, très contents d'être accompagnés par Presse et Afresh. Mhm. Euh, voilà. On est, c'est vrai qu'avant, on s'était déjà vu pour parler de sponsoring, donc je ne pensais pas que ça allait être à ce niveau-là. Ça allait aboutir aussi. Oui, mhm. exactement, parce que comme Ninka on est des jeunes, déposer personne, personne, de le faire. C'est pas, c'est pas facile, mais voilà. Donc, on vous remercie pour ça. Déjà, rien que pour ça. OK. Alors, est-ce que euh, Madame Elzo Jamnong, il était à la hauteur côté spectacle, côté show Non, lol, j'ai ça wax. Mm. Boy top la Donc, Lamine Gay école le so, il est venu là faire le show, Lamine Gay tontu nañ ko wuyu Il est fum ñu donc merci pour ça encore parce que franchement que boy boy plateau mom mm-hmm. joge Lamine Gay ñew def concert Lamine Gay c'est top grave un concert publicité bi Dial King FM TFM lan GFM mhm. aujourd'hui Wajé FM GFM ñu ngi remercier Bouba parce que voilà communication c'est important pour n'importe quel événement donc ils ont été au top pour ça donc merci encore. super et vous remerciez qui en direct. <laughs> Bah déjà, nous remercier l'administration, parce que l'administration, les Sénégalais ils ont été là tout au long du processus. C'est déjà, Monsieur Papa Aline Job. Coucou à Madame Dawa. Donc, merci à, à, l'administration. Merci euh, au gouvernement scolaire de cette année, ceux qui, ont, ceux qui, étaient, ceux qui ont été derrière moi du début à la fin. Bon, il y a des comme chaque gouvernement day am ñu gëna a liggéey am ñu gënul liggéey am ñoo xamante voilà moy lolu ñi liggéey xam nañ seen bop donc big up à eux. <laughs> super voilà di di remercier wa Lamine Gay tout chaque élève parce que si si euh, les journées culturelles de cette année ont réussi c'est grâce à eux mhm. on les a appelés ils sont venus en masse donc merci pour tout. ok le dernier mot, le bac c'est lundi, je pense. Exactement. Et quel est ton mot euh, à l'égard, bien sûr, de tes camarades de classe en classe de terminale aussi, S, L et, G, qui vont affronter cela euh, la semaine prochaine Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, Ah, les gars, <laughs> on y va avec assurance, On a, ça fait neuf mois qu'on est sur les bancs, donc voilà, on y va avec assurance. Bien lire les sujets. Exactement, prendre notre temps voilà mm-hmm. ñu lay téléphone. donc on prend notre temps voilà. on prie beaucoup aussi parce que chance chance bi là mais ligue c'est 90 de tout donc. on s'y met. alors le monsieur va dire un mot de fin. Allez-y. Ah, on remercie tout le monde. Mhm. Comme elle l'a dit, le gouvernement scolaire, tout le monde. On remercie tout le monde. Euh, voilà, c'est ça. les mannequins qui, vous ont accompagné aussi, nous tout doux. Saoudiatou Top et Saoudiatou. Badjan. On vous remercie. La famille. Ok, super. Alors, le micro pour euh, Oumou. Moi, je voulais juste que te rajoute euh, le projet que tu souhaites financer avec les 1 million. Mhm. Euh, on donc euh, à la école bon année bi mhm. donc l'école a été rénovée grâce aux anciens élèves aux proviseurs et bien sûr à l'État parce que c'est une école publique il n'y euh, a pas grand grand chose à faire on, à la base on voulait ouvrir une salle d'études pour les élèves, que ce soit une salle pour les polyvalente pour tous les élèves, pour chaque euh, niveau et chaque euh, série. Maintenant, puisqu'on est en fin d'année, ça va être un peu compliqué le suivi parce que le, notre proviseur doit prendre sa retraite cette année. Une chose qui manque à l'école, c'est que vous le savez, école de classe que c'est ci cours avoir du fun entre potes et tout mm-hmm. donc on s'est dit pourquoi pas mettre des bancs dans la cour des bancs publics pour euh, les élèves parce qu'on mm-hmm. passe euh, notre temps là-bas des fois a cours il y a ok y a <laughs>

Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Euh, merci de nous avoir accompagnés pour la tournée Fresh Ton School. Ça ne s'arrête pas là, comme vous venez de le dire. Pressé à Fresh sera avec euh, les PNJ et les Sénégalais cet été et durant euh, toute l'année. On sera là. Vraiment, donc suivez-nous, suivez-nous, connectez-vous sur nos pages Facebook Presséa et Presséa officiel sur Instagram. Il y a des challenges qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire avec Elzo Diamdong, qui est notre égérie. Donc euh, suivez-nous vraiment et merci beaucoup à PNJ. Euh, et pour plus d'infos, du lundi au jeudi, euh, de 21h à 0h aussi, Pressea nous accompagne. Aujourd'hui, en direct, vous avez vu les numéros. On va offrir bien sûr des jus de fruits Pressea fraîches à nos téléspectateurs. Mais j'ai une question. La question, elle est très simple la question il y a eu deux joueurs qui ont marqué bien sûr les buts de l'équipe nationale de football du Sénégal Les ñaari joueurs yooyu nga xamante ne Sadio Mané Sadio Mané. ça va il y a beaucoup de boo ko si ok Ni la laajte téléspectateurs donc deux deux joueurs Moi, tax ñu am deux deux joueurs yooyu da ngeen may wax un tour ku ko trouvé paquet de presseya Andak bien sûr équipe nationale de football du ah. Sénégal c'est tout de suite dans Hello Ado J quel est le clip que tu vas voilà on va regarder un new clip euh, le clip de la diva Queen hein, qui a sorti un new euh, single Allez les Lions uh-huh. qu'on va regarder et supporter les Lions supporter les Lions du Sénégal Queen bise en direct dans Hello Ado c'est parti let's go à nos invités, bien sûr. Le lycée Lamine Gay, euh, mention spéciale à la présidente, bien sûr. Et bien sûr, à tous les élèves du lycée euh, Lamine Alors sur ce, amis téléspectateurs, il nous reste euh, quelques minutes. Alors euh, je vais essayer de prendre 10 téléspectateurs. 10 10, euh, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Vite fait, bien 14 fait. Hein. là, Bougonjel, parce qu'il y a 14 régions euh, du Sénégal. Ah. Mais demain, si ça tu 10. Mais parti nga waa France ouais, Italie ouais, Espagne. gars yi tamit dañuy seetaan dañuy dund instant Coupe d'Afrique bi si di si lañ bokk ñoom dañu bëgg am ay maillot. si di si lañ bokk parce que gars yi dañu may message ne ma fii ji maillot daf fi jafe dañu bëgg am maillot. c'est clair oui. oui. Allô oui. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Oui, je me porte bien. Et vous appelez comment Je me nomme Elage Traoré. Elage Traoré Oui. Et vous nous appelez d'où, Elage Je vous appelle ici à Dakar, à Wagouniaï. Wagouniaï Oui. Il y a des branchés là-bas Oui. Ok. Et l'émission, ça se passe Oui, je, l'aime beaucoup, hein, franchement, à vrai dire. J'aime. Merci. J'aime beaucoup votre émission. Merci, Traoré. Et vous êtes fraîche là-bas, Yenoua Wagunya, vous êtes fraîche comme pressé à fraîche Trop fraîche, trop, trop, trop même. Trop fraîche. Ok. Alors, j'espère que tu seras notre première à avoir euh, les jus de fruits pressés à fraîche. Tu supportes l'équipe nationale de football du Sénégal ah, je suis, ah, vous aussi, je suis sénégalais. Super. Alors, donne-moi les deux, les deux buteurs de l'équipe nationale euh, du Sénégal. C'est le Traoré, quoi. Moi, je pour lui. Tu es un Malien, quoi, avec le Traoré. <laughs> Non, je ne suis pas malien. Je ne suis pas malien, je suis sénégalais. <laughs> ok. Allez-y, essayez de nous donner les deux noms de buteurs. les deux joueurs, c'est Keita Balde et Krempe Diata. Keita Balde et Krempe Diata. Diata. Crépin. Ouais. Ok. Ouais. Crépin Diata, le beau gosse. Ok. C'est noté. Alors, tu fais, tu fais dédicace à qui ah, À toute la famille tous euh, les amis, plus, précisément ma, mon, mon, bébé Kalichi. Oui. Mon bébé qualifié. Ok, tu as un bébé Ouais. Ok, ah, super. Ah. elle se nomme, elle se nomme. Elle se nomme comment Traoré. Ok. Mention spéciale. Euh, mention à ah, Spéciale à Traoré, oui. Euh, ça fait plaisir. Eh, du Bambara, Sénégalais. Là. Sénégalais. Okay. Sénégalais. <laughs> Alors, on a un Dakarois, bien sûr. Euh, il a représenté Dakar, Traoré, euh... Saint-Louis, Kaulak, Fatik, Tambacounda. On Espagne, vous attend France, Gambie. Eh ouais, Mauritanie, Mauritanie. Pour une première, ils étaient qualifiés. Hein. Ah bon Ah ouais, joué dans une première match. Ils ont Mauritanie. Wow. Match bu neex seetaanoo ko. C'est un ko. Shut up. Ñu mujjee. 4-1. nous, ñoo gagné 4. non dañ leen wulli wulli wulli <laughs> mais dina quoi pour une première allez le deuxième téléspectateur en direct pour parler avec les PNJ 88628 628 22 22 628 c'est de l'extérieur en bas de votre écran à droite vous pouvez nous joindre aussi Mia s'il y a un deuxième téléspectateur tu nous l'envoies brèche rapidement aussi ils sont nombreux à nous envoyer des textos à envoyer aussi leur profs am ñi nga xamantene dañuy def ay selfie ah bon sol seen maillot di ñu ko envoyé. ñu ko waaw. c'est possible. allez bonsoir. bonsoir. oui le monsieur se nomme comment. Euh, je me nomme Cheikh Bangoura. Bangoura. oui. yow mom do sénégalais Bangoura. naa na dominicain na franc benn pays sigi. ah. ça va bu ñu saga yow. non le bambara la bambara ok Bangoura vous êtes maa ngi dëkk Kër Massar. Kër ah, Massar waa KM nga. waaw maa ngi dëkk Kër Massar mais euh, dama bëggoon participer émission bi. mais yow sénégalais nga. waa sénégalais la fii laa juddoo quoi. ah ok ok Bamboura ñu ngi lay déglu. waaw dama bëggoon joxe sama participation ci joueur yi du Sénégal yi ci contre contre match bi passé. Euh, dëgg la euh, après soo gagné lan nga bëgg boisson nga bëgg wala maillot. bëgg naa ay maillot. bëgg naa soit lan moo am mayo moo am ak boisson ak lan. yow xam nga xam nga son boobu ñu naan jaaja. jaaja waaw dama koy dégg rek. <laughs> ok d'habitude yenn booy suñu wootee bëgg lu bëri au lieu ñu naan la dow da nga fuuy dañ la naan xam nga son boobu jaaja. <laughs> waaw waaw waaw dégg naa ko. <laughs> ok allez-y allez-y pour les deux noms on vous écoute. waaw ki njëkk a dugal butu Sénégal bi moom mooy Diao Keita Diao Keita Balde. Diao Keita Balde noonu la tudd. waaw waaw oui. Le deuxième buteur Crépin Diata. Naga Crépin Diata. Cré Crépin. Crépin, Crépin. Pain, comme pain, mourou. Crépin. Ok, Crépin. Ok, Crépin, Diata. Donc, nous souhaitons bonne chance. Bangoura, tu fais dédicace à qui en direct Merci. Euh, bon. Quand tu dédicace en direct Il est parti Bangoura nous a quitté en catastrophe. Mention spéciale à lui. Oui, Bangoura. Bangoura, il a représenté Kermassar. Euh, Traoré a représenté Wagouniaï. Alors, vous qui êtes en train de nous regarder, vous allez représenter quelle région ou bien, bien sûr, quel pays Les numéros magiques sont en bas de votre écran, amis téléspectateurs, en train de suivre Hello les PNG. Vous pouvez envoyer aussi votre offre. Voilà, via le 77 244 22 22. C'est mon réalisateur. tang après, les photos les photos gars en direct. c'est possible ça. Oui, mais seulement quoi. ok y a quelqu'un en ligne bonsoir. allô. allô. oui. allô. oui bonsoir. bonsoir. madame c'est comment le nom. comment. c'est comment votre nom madame. c'est mademoiselle euh, Awaya Sensek. Awa Yacine. nga bëgg ko madame. ok Awa Yacine fan nga dëkk. Sacré-Cœur. pardon. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur Sacré-Cœur ah, ah Sacré-Cœur. oui Sacré-Cœur ñu ngi lay déglu. Uh-huh. moo ngi cool. mu <laughs> est cool oui, bu ndaw rek. wala nice. est-ce que mu ngi fresh Fofu? Sacré-Cœur. Hein? Sacré-Cœur mu ngi fresh. waaw. ok alors euh, da nga participer participer si jeu concours bi waaw allez-y ñu ngi lay déglu Awa Yacine si pressé yaay wala si maye. ah loo bëgg pressé yaay wala maye. Euh, pressé ya. pressé ya nee na ak mayo. ak mayo mm. ñaar yëpp. ñaar yëpp ak kat mayo nee na kat mayo ak pressé ya. kat en <laughs> ok après nañ la may son jaajaa bi tamit. sow jaajaa sow jaajaa dafa am. waaw am jaajaa. luy sow jaajaa. non la wax son. son son son, de son <laughs> musique. son jaaja oh jaaja. ah mais la yaba ma eh, jaaja. voilà dinañ la ko après. waaw ah, woy Oui, da oui, oui, ah, oui, oui, oui, son. allez-y pour les pour les réponses les deux réponses oui. Euh, mu nekk euh, Crespin Diatta. naka. Crespin Diatta. oui. Keita Balde. Keita Balde moo tax pardon dafa lan Keita Balde. Ah, Balde euh, selon vous ñoom ñaar voilà selon vous ñoom ñaar ñoom ñoo Dougal. Dougal. ok Sénégal donc on vous souhaite une bonne chance et vous faites dédicace à qui en direct. Euh, à ta soeur qui vient d'arriver des États-Unis. ok. Uh-huh. dafa vacances Khadija. Khadija naanagul si pressé yaay. ah d'accord ak ah, Iba. ak Iba. Ah daal di ay yaay. Mhm. ok. puis wa États-Unis foog ñu gagné ci presse yaay ñu wax ñu lu ah maamam tamit muy muy sétane mam ji bëgg na ñamu suuga. wa ci mm. da ci bax donc merci beaucoup Awa yassine merci Père Am tijul suñu son fi ñu may ko jaaja. jaaja ok Père Am tijul son bi nga yok retour bi tout voilà jaaja di génn yow yow xamuloo kan lañ doon wax. Ah. yow fuy ñëwee xamuloo lan. Avant Jaja quoi, Jaja New York frère. Ah xamoo Balla. OK. OK. Eh, Aïcha Jaja eh, ñu. Oh Jaja. Allo, oui Jaja. Non, qui est Jaja. Qui est Jaja góor Ouais, na pas def? Oui, eh, ça va, man, mooy cool tur bi naka la frère. pardon. parlez fort s'il vous plaît monsieur. jégal sa chinois bi tuuti. Emmanuel comment. Diène Diène. Emmanuel vous nous appelez d'où. depuis. Emmanuel est son nom. Guédiawaye. oui depuis Guédiawaye. ok naka Guédiawaye. naka Allô, allo waa Guédiawaye oui oui. naka géej waay cool. waaw muy neex hein. naka un concert avec Ngaka Blende ok ok ah waaw ça a été ça a été. D'accord. accord mooy cool. la bien assuré. yeah j'ai déjà gars si bi de. waaw waaw participer Emmanuel ñu ngi lay Mia mu ngi euh. Donnez-nous les deux noms des deux buteurs de l'équipe nationale de football du Sénégal lors du premier match euh, CAN 2019 en Égypte il y avait deux buteurs, c'est Balde et Crépin Diao Balde et Crépin. Crépin Diao, oui. Ok. Alors, on vous souhaite une bonne chance. Si jamais vous gagnez, vous voulez quoi euh, Jus de fruits Presseya ou bien des maillots Si vous pouvez avoir mon maillot comme ça pour. Supporter demain, pour supporter demain. Voilà, effectivement. Contre l'Algérie. Alors, oui, Scorbi. n'y a, score, score, ce pronostic. pas au match très serré, mais on va gagner contre 2 buts à 1. 2 buts à 1. 2 buts à 1. D'accord. Pour yow Sadio Mané dina dugal ah. Sadio Sadio waaw waaw waaw. ok Thione Boy jaajëf waay ban soo nga bëgg ñu may la. Euh, bon je vous laisse faire le. non comme que géej waale kon bàyyi ma may la ngaa ko blende kon. ok merci amul problème. jaajëf. acca ngaa ko blende père am tijjil sama son fii. bu ko di tëj tëjji ko. ñu may ko ngaaka bi ayca gaaw leen gaaw leen 10 laa waxoon na ma 6 euh, en direct après Emmanuel Diène Awa Yassine, Bangoura et Traoré il me reste 6 téléspectateurs en direct au 88 628 22 22 Peram yokkal tuuti suñu son kii ko moom ah hein Maka moom gém bi nga ko moom baba teew na te kabe seddale ju bëri na xale yi tëri na jàmm ji jeex na man boo may jaay réew ma wala ma ni sa papa nga ni dama dugg jeel di jooy di yàq sama demee sama méchant ne nga ko du gën lekk te nga ko dootoo ko dégg dëgg la wala ma génn ñu nekk si kaso bi wala ñu ma gënoon bëgg nga ko ba si biir kër bi dañoo tàggatoo bi laajal seen chef ne oui bonsoir bonsoir mademoiselle oui bonsoir vous allez bien oui bien et vous appelez comment Kumba bébé, bébé, bébé Kumba. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Bien, merci. a un jumeau et ça. Hein. quest le rouge, le moto de bébé Kumba? bébé Kumba. Wa da ngay jege sa portable nga wàññi sa télé bi nga ñuy portable comme ça tu as désolé mais c'est pas. dégg bu bébé Kumba télé chinois oui ok alors bébé Kumba tu veux participer on t'écoute. oui. d'accord vas-y on t'écoute. oh là là elle est partie elle s'appelle euh, Bébé Kumba donc nous remercions remercier Emmanuel Diène ak Awa Yassine, ak Bangoura ak monsieur Touré Traoré bien sûr du moins alors euh, Wamour, pourquoi parce que PNG. Hmm. vendredi c'est-à-dire après-demain nous ah ngi biir Mour. ce vendredi Nous ngi biir Sali. ce vendredi Nous ngi King Club. King Club de 0h à 5h du matin en soirée euh, discothèque. Oh donc vendredi Wamour, Harlen, PNJ. PNG vos DJ euh, seront là-bas bien sûr ça sera du lourd. donc PNG vendredi bi ñoo ngi biir Mour. l'autre vendredi qui suit Wa Saint-Louis préparez-vous. Nous mhm. ngi Ndar Mix Club. Mix Club yeah ok donc vendredi bi waa Mbour. beneen vendredi bi Saint-Louis. ok Aïcha ñu ne bonsoir Allô. Allô. oui. ça va. ça va bien. <laughs> tout doux. Awa naka. Awa. Awa. ah yo moom pii laa lay paas chéri Pinga. Eva. Awa one. Awa one. ana Awa tu. mi fi. xanaa sa seex la. waa ay seex waaw loolu dafa mën a nekk yow seex yi woo seen moromu seex en ah, direct. <laughs> awa fan nga dëkk. Wakaam. Wakaam. ñaata at nga am. 19 ans. 19 ans lan moo la neex lan moo la neex si émission seex yi. yéen ñaar. Ya. Hmm. seex yee la neex. waaw ñoom ñaar kan nga si gën a bëgg. pi pi kan mooy pi bravo ah, ah, bul bul jubile ki. Eh, bravo awa. <laughs> alors awa bëgg na nga gagner ci sama mayo yi. man sax bëgg na do yow sax bëgg mayo wala ya mayo. mayo ne ko dama bëgg. mais mës nga ci pressé ya fresh. non non. ah bëgg na nga mossi ak neex. ah coco bi. ah orange naa jënd kon. da gaaw jënd nak ah été bi ni kon suba suba da ngay da ngay da ngay supporter équipe nationale sol mayo bi di nan boisson d'accord. ay ca ñu ngi lay déglu acha wax ñu buteur yi ñu duggal premier match bi Sénégal. Diao Baldé Keita. Diao couleur la. couleur la. ah couleur la wala bambara. wa xaw ma de. ok acha kenen ki. kerpen jata naka. kerpen nan. Krépin. crepe crepe Bourré. <laughs> crepe jata D'accord. Ok, c'est noté. Alors, bonne chance. Merci. Tu fais dédicace à qui en direct avant de raccrocher <laughs> D'accord. Bonne soirée, au bëgg ñu may la ban way, <laughs> Man Abiba. Ah ah Abiba. Kan nga koy may Abiba bi? Sama yaay. Sa yaay nu mu tudd? Jawa. Jawa Ça va pour Suley Suley allez merci beaucoup mademoiselle Awa. Ciao. Tu es adorable ciao. Soleil. Ciao, Ciao. Attends Abiba. Ils sont adorables nos téléspectateurs.

ne ko awa yi ñoo ko yor. yéen yéen a ñu moo. Ah, sama jigéen nga sama chéri nga. Ah, waaw awa du baax. du baax de du baax de. du baax moom ñoo ko jiitu. gis nga yow awa nga awa nga. awa wala ñaareel nga. awa nga wala ñaareel nga. ii ma ma mooy lépp mooy tijji mooy tëj. Ah. ok.

yeah. on a du mal à ah, l'entendre. da ngay perte réseau de instant yi foofu da nga ah. nekk di perte réseau Kër Massar. tout <laughs> tuuti réseau bi tout tuuti réseau bi. <laughs> wutal relance bu nga ne. ayca <laughs> euh, ñu ngi lay déglu si jeu concours bi nga participer si nga mën a gagner maillot wala boisson. waaw pressé à fraîche. waaw. quels sont les deux noms des deux buteurs ñaari buteurs waaw Diallo Balde la. waaw Balde Balde. ak jaay crépin. crépin. voilà. Jata. loolu la wax ban soo nga bëgg ñu Awa elle est partie. Awa. Awa elle est partie. Alors, dédicace à Rama Tunkara, à Chor Tunkara, à Sherif Tunkara, Ndai Tunkara, la famille Tunkara. Oui Oui, bonsoir. Allô Allô, allô Vous entendez C'est Awa qui, qui, qui, est toujours elle est partie. Allô, bonsoir. Elle est, partie, donc de remercier bien sûr Anta CSB en train de nous suivre. jili CSB, mention spéciale à vous. Donc, euh, bon portable, oh, you nice, je les remercie encore une fois. Euh, Anta, gros bisous à toi, ainsi que euh, jili CSB, mention spéciale à vous. Wa salon dia tay ñoo jaar fi très sur nice avant ma ñëw émission dama fa jaar ah bon ñu yak très nice salon dia mia bu ci su jëlal yeah donc di leen jaajëfal bu baax. non on ngay wax le tres Allez le grand caméraman. oh le à <laughs> ah, Fatou Bintou bien sûr. Euh, Fatou oui. yeah à Bébé Kiné. Bébé à Gonish, à Madame Ning, à Maman, Madame euh, Paye, à Madame Dem, à Khadi, à Madame. Euh, Aye maman Aye. maman Aye donc mention spéciale à tout Salon Dia juste à côté. Mhm. Almadi. alors le numéro magique pour Salon Dia bien sûr c'est le 77 038 36 74 77 038 36 74 bien sûr euh, allez vous faire chic chic, chic yeah, même si vous non, rek côté non. même si photo yooyu. photo yi may même non. juste à côté bonsoir. Allô. oui bonsoir. Allô Allô, oui Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous allez bien Oui, ça va bien. Et tu t'appelles comment Ramatoulaye. Ramatoulaye. Ramatoulaye, vous nous appelez d'où euh, De Parcelles, de là. Parcelles, il y a des branchés là-bas eh bien, si, eh oh bien, si. Ça, ça fait, bien sûr. Ça, ça fait boum boum au cœur, boum boum au cœur. Tu as vu les élèves du lycée Lamine Gaye tout à l'heure Comment Tu as vu les élèves du lycée Lamine Gaye tout à l'heure Non. Donc tu viens d'être euh, connecté D'être branché attends, 10, Ok, c'est super. Alors on a posé une question très facile, très simple pour vous permettre d'avoir des maillots et des jus de fruits euh, pressés à fraîche. Est-ce que tu es prête mm. Oh là là, il est parti, Rama. Oh là là. Rama, il est parti. C'est d'or. Raman elle est partie. la jënd émission si <laughs> parcelle ak ñu bëgg deux. allez plus que deux téléspectateurs avant d'aller regarder un joli clip au 88 628 22 22 faites comme ces téléspectateurs qui viennent d'entrer en direct 88 628 04 05 l'émission Hello Ado des jumeaux PNJ en compagnie de Presse et Fraîche. Bambour, Wassali, ce vendredi discothèque internationale PNJ nous King Club. ñu mhm. ko ça sera du lourd. Euh, hein? ça sera du lourd hein. King Club euh, Sally, euh, Mbour PNG, ils seront là-bas. même à Dakar mun ngeen def déplacement su ngeen reeree ba vers 22h Les gens bi yomb 30 minutes 45 minutes ngeen egg Mbour Sali Yep. passer passé soirée avec ak PNJ bien sûr. Alors, bonsoir. bonsoir. oui. allô. oui bonsoir. bonsoir. c'est mademoiselle ou bien c'est madame. c'est madame. madame comment. Soli. naga. madame Soli. Solly Soli. Soli. Soli. Oui. Ok. Et vous nous appelez d'où, Madame Soli Cap Sikiring. Cap kon télé bi waaw. mais ngi cool. waaw elle ngi cool. instant dafa tàng wala dafa sedd wala climat bi. waaw dafa féex heure bi moom. Et ay midi une heure day fraîche quoi. waaw dafa fraîche. kon yow la presser à fraîche. Allô, oui. oui. allo waaw madame Soli ñu ngi lay déglu. allo waa léegi kan nga bëgg a gañeloo mayo xale yi wala sa jëkkër. waa xale yi laa bëgg a gañeloo ak sama jëkkër. ah jëkkër. ok mm. sa jëkkër nu mu tudd. Soli. Soli madame Soli monsieur Soli. jeexal na wax. ayca ñu dem jox ñu ñaari tur yi. madame Soli. madame Soli allo jox ñu ñaari turu buteur yi. waaw eh, Diao Balde Keita. waaw. À pejata. kan Sadio Mané. crème ok c'est noté alors bonne son ngay may sa jëkkër ak sa doom yi ak wa Cap là, Youssou Ndour koy may. Youssou Ndour oh! Si la ko may ko waaw c'est sûr. Hmm? ok allez merci madame Soli c'est très gentil. merci, à elle madame Soli de Cap

ah dara du ko doon plaisir de Madame Solia, bien sûr. Allez, euh, le dernier, bien sûr, téléspectateur, euh, avant d'aller regarder un joli extrait, bien sûr. 88 628 22 22. Après Cap on va recevoir en direct qui Mia Qui est là Toc toc. Toc toc, qui est là Toc toc. Sinon, je vais regarder les messages de mon. Jum Jum. Jum Jum sur le 244 22 22. N'est-ce pas Allô Mia Oui. waaw ah, no tudd no tudd Fofu xumb na de Xana da ngay di Mi ya fofu xumb na de xana ginaar lañu añee tay e ñooñu <laughs> lu ngeen añee ginaar allo allo Wa ginaar family allo une fois dama sam ben copain quoi tukulër la. oui Ñom suñu noos quoi ñoom booy ji. ginaar ginaar lañ toog ginaar ginaar ginaar. ayca miyaa kon tëbalal kooku ñu xol keneen Bokar vu que mënuñu ko jot 88 le 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65. rap oui bonsoir Allô. Allô. wa. yeah Wa Gentle Boy. Gentle Boy. Jantal boy. Eh, eh, no tudu. Maa ngi tudd Muntala Kan. Naka. Murtala Kan. Murtala Mortal. Mortal. tu Mortala. Murtala. Murtala. Murtala. Murtala ñaataat Mortala. Murtala. Maa ngi si Ah Murtala. am Mortala. ans. 20 Murtala boy Sebab di baru 12 ans boy hamba that <laughs> ya mutala ya, ya ku deugar fit nga san waye wada duza ya, nga ngal veta ya fan ngay jaar ba am 20 ans yow ya, murtala am ah, murtala yow kan nga yap yow murtala man yow mo ken mais murtala lo bëgg ci presse ya fresh wala ci may ci may way may way may may mais ñi wax d'abord sa âge normal ba paré bayal duñu tek di murtala hein ñaari mayo naa bëggoon. waaw ok ñaari mayo mais wa jox ñu sa âge ba pare normal. man 15 ans. 16 ans. 15 ans 15 <laughs> ans. 15 nga yokk si 5 nag muy 20. <laughs> ah léegi la ma da nga yokk bëgg am 20 ans léegi <laughs> non booy vrai jantal booy la quoi. allo yow vrai fan nga dëkk. Kaolack. Kaolack nga. waaw lan laa jot ci waaw il faut nga trouver ba pare. ah. jox ñu ñaari tur yi ba pare. Krépin Diatta. waaw. Keita Baldé Diao. Keita Baldé Diao. ak Krépin Diatta. <laughs> ok léegi su fekkee ne gañe nga dinañ la jox dinañ la jox benn numéro boo xamante ne kooku ngay woo dina la wax naka ngay def pour jot sa mayo d'accord.

<laughs> D'accord <laughs> Mais oui. Il n'y a pas de problème. Reste ça à l'écoute. Après, on va donner les informations pour que vous puissiez récupérer vos maillots et vos jus de fruits. D'accord Puis, Walking FM en train de nous regarder. Mon et mon frère Kader, big up à toi. Exides, mhm. Lisa et Papchia, big up à hein. Tous les animateurs, euh, Didier Cool et consorts, en train de nous regarder. One love, guys. Yorkland Accélérateur. FM 99.4. Alors bonsoir. Oui, c'est Muntala wa Mortala yow. yow tàggoonte woon nañ sànq. mais yaa Mortala ba kañ nak léegi Mortala déglul bu baax su émission bi di waja jeex dina joxe numéro bi su fekkee yow ya gagné d'accord. jaajëf waay Mourtala Mia merci way nul ñu Mourtala hein? ah. jaajëf allez donc euh, Mia pour la première partie des appels bien sûr on a eu Traoré on a eu Bangoua, on a eu Awa Yassine on a mm-hmm. eu Emmanuel Bébé Kumba Awa Dowakam Awa Bité. Raman des Parcelles, Soli, Madame Soli. Et la fin de l'émission des jumeaux lundi. Alors, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais puis, voilà. Vas-y, vas-y, vas-y, c'est à toi, il fait chaud. Orange. Orange. Euh, orange. Il y a Tropical, bien sûr, il y a. Mang. Vas-y. Ah, Aïcha, Nudem. Euh, sur ce, rapidement, alors, euh, J. Il y a le. Balde, Baldé. Il y a Crépin. Ouais. Les deux buteurs. Oui. Donc, félicitations à tout le monde. Hein, parce Et que j'ai reçu aussi pas mal de textos, gars. Nous, ah bon, nous donnent participer. Nous nous donnent participer. Alors, sur euh, le 77 244 22 22 de mon jumeau, il y a eu des jeunes qui ont participé aussi. qui mhm. ne euh, s'il vous plaît yàgg line B. mi yaa dégg dañu line B.

alors il y a beaucoup de messages Je hein. j'arrive pas à lire tous les messages. Ah, lire Espagne Nyomki, Guy. Ah super alors maintenant de 1 à 10. Mhm. quel est le numéro que je vais faire gagner. Mhm. parce que euh, tous ils ont gagné hein. donc que on répondre euh, Crépin gagné Diawo, Diao Balde tamit gagné mais demain on un match à partir de 19h Sénégal il faut jouer avec Nari. Algérie. donc nous, ngi avoir bonne chance. ñu alors J. waaw damay maye benn yow nga maye benn. waaw man moom sama soo ma laaj soo may laaj numéro sama numéro laa lay jox. de 1 à 10. sama numéro laa lay jox. tànnal benn numéro. waaw J day maye benn mayo man ma maye benn Lacoste. Ah, an sa mayo am naa benn mayo bu veer bu nekkoon foofu noonu. Mhm. waaw léegi kon ma foofu mayo boobu waaye ma jox la numéro bi léegi léegi léegi. ay ayca. allez jox ko mu ngi noonu mu ngi noonu waaw saaj bi waaw waaw. Ah, Alié xoolal ma foofu am na benn maillot bu vert foofu noonu. ayca kon ji yow sa numéro bi léegi man dama koy may y a une maman tu nous as appelé avec ses enfants y a une maman qui nous a appelé avec euh, son mari. oui donc euh, jëkkër ji nee na mu ngi seetaan. Mhm. doom yaa ngi seetaan. donc euh, léegi xaw ma nu may def nag. waaw moom dama koy may benn maillot sama numéro ba pare wala ban numéro laay sol équipe nationale. cëm sama maillot ngi nii may ah bandi. man rek a ah, bon dafa am koo eh. xamante ne depuis temps booy waaw moo doon tax may seetaan équipe nationale su may football sax ah nu muy def yëpp sa entraîné waaw kenn damay takk affaire yi nii def ni short bi nii xam nga ban numéro la est-ce que tërërërën ma xool Aliou sama caméraman préparal la maa ngi génne bi tërërërën numéro bobu lay tan suma ma yëgatee rek mooy kookoo gagné ah. ayca sama numéro mu gaaw. tërërërën attention attention c'est le numéro. bravo ça c'est c'est ton numéro magique. c'est le numéro 7. numéro 7. sama numéro la mom lay sol depuis temps boy ok Henri Camara mo taxone ma bëgg ko. kon mom nga may cadeau bi. waaw kooku numéro 7 bi lii ma kala alors numéro 7 1 bi Traoré la 2 bi Bangoura Awa yassine 3 4 Emmanuel. 5 bébés combat, 6 Awa. 7 Awa bité de Kermassar. Wa Kermassar, félicitations. Awa bité de Kermassar, tu as gagné un maillot de l'équipe nationale de football euh, du Sénégal, bien sûr. Djelema euh, Fofga numéro 11, comme ça, nous, Coco. Alors, deuxième euh, gagnante, toujours digue-le, parce que c'est une maman. Émission, il amna a une maman qui donc maman comme elle de Madame Soli donc madame Soli nous ngi dëkk 4 non seulement am nga maillot parce que ben maillot là, mais dinañ la jox ben pack euh, bien sûr euh, pressé à fraîche nga mun ko may sa jëkkër ak sa ay dom ngeen mëna nan en même temps di seetaanaale match bi alors sur ce. oui mhm. le les comment faire pour gagner comment faire pour avoir vos maillots je vais donner le numéro ngeen euh, woo ko ngeen wax ko a gagné euh, maillot bi mom mu ngi tudd donc tay mom moo ñu sponsorisé euh, les maillots donc maman bu Cap bi ak numéro 7 bi Awa bité woté pouvez wala ngén envoyer message ñi nga nous dañu bëgg commander wala jënd maillot tamit na ngén ko wo c'est le 77 705 86 09 705 86 09 Ouz bien sûr maillot tout Ouz maillot la <laughs> donc ngeen euh, def sen commande fofu ñi nga xamante gagné nañ. et en dehors de ça puis euh, le boy là hein, c'est un artiste qui a sorti un, un new euh, son dédié à Sadio Mane, tey moom la ñuy hein ah. son super. Alors, amis téléspectateurs, c'est la fin de l'émission des jumeaux PND qui se passe chaque mercredi en direct au niveau de la TFM Hello Ado de 16h à 17h30. Ce soir, retrouvez-nous à la radio. Vous allez nous écouter et nous regarder en direct via la page Facebook www.kingfm99.4 de 21h à 0h. C'est du lundi au jeudi. Ce vendredi, PND seront à Meaux, précisément au niveau du King Club Salim. Alors, pour plus d'infos, appelez Paco de Amour au 77 635 55 51 je répète Wamour Mbour pour Amsen réservation au 77 635 55 51 PNJ Amour ce vendredi au King Club yeah du voilà donc euh, on remercie tous ce beau monde hein. ñi envoyé euh, texto en voilà donc euh, via le 77 244 22 22 ce soir émission Radio Amna, 21h à 0h j'ai reçu plus de mille et quelques textos, des milliers et des milliers de textos, des mm. tonnes et des tonnes de textos. On va lire ça en direct sur King FM 99.4. Mm. Ah. C'est clair. En, en, dehors de ça, vous allez écouter aussi pas mal de sons mm-hmm. de Kobounet dinañ leen may hymne maanaam son bi nga xamantene cartonné Algérie son bi nga xamantene cartonné RDC donc y aura de la bonne zig bien sûr ce soir de 21h à 0h mhm. sur King FM 99.4 c'est que le transporteur bien sûr de la TFM en train de nous regarder moom mooy borom le 6 juillet nest puis, dans l'attaque décembre man le 6 juillet a def différence donc mention spéciale à Sec, le oui one love c'était Pi c'était ji donc c'est avec ce Mia xoolal son bi la ñuy tëjee tey nag mais ñu nag Sadio Mané la tudd son bi. ah bon Sadio Mané. te amagul clip. amagul clip lu bees la. Peraam yokkal suñu retour waay. ayca ayca tout le monde. Sadio Mané ayca Peraam. Sadio Mané allez les lions. Et c'était le PNG. One Love, on vous aime. Mercredi prochain, nous bye, <laughs>